extrêmement grave parce que même, même les motivations, les motivations, les motivations soulevées par l'exécutif et le législatif sont très graves. D'habitude, c'est les opposants et les, et les jeunes qui accusent la justice du pays d'être corrompue. Aujourd'hui, c'est le législatif et l'exécutif qui accusent la justice de notre pays d'être corrompue. D'habitude, c'est les jeunes et les opposants qui accusaient le gouvernement d'être corrompu. Aujourd'hui, c'est le président de la République, son groupe parlementaire et le groupe parlementaire du PDS qui accusent le Premier ministre en exercice du Sénégal, pas moins que d'avoir corrompu des juges constitutionnels. Et c'est sur ces bases-là, sur ces bases-là, qu'ils ont organisé leur semblant de coup d'État constitutionnel. Je voudrais dire aussi que le 2 avril, quel que soit ce qu'ils ont décidé, puisque l'article 103 de la Constitution dit que la durée du mandat du président ne peut faire l'objet de modifications. Le 2 avril, comme Macky Sall lui-même lui avait dit à plusieurs reprises, son mandat prend fin. Ce qui est déplorable, effectivement, c'est que la CDAO aurait dû condamner d'abord c'est que l'Union européenne aurait dû condamner au lieu de constater. Mais on le voit bien, que les enfants de la France, comme ceux qui sont au Tchad, au Gabon ou au Sénégal, peuvent faire des coups d'État de toutes sortes. Ils sont soutenus. Mais quand il s'agit d'autres pays, ils font l'objet de sanctions extrêmement sévères. Je vais vous rapidement ni li les institutions de la république la république est à terre Madame ndax naka jekk dafa am ñu doon jiiñ justice bi ni dañu corrompu ñu leen di yóbbu ci yoon waaye tey assemblée nationale ak gouvernement bi ak président ci rapport bu ñu teg ñoom ñoo jiiñ justice bi ni dañ leen corrompre dañ leen ger dama ne d'habitude ay xale ay opposants ñeneen ñoo doon ni gouvernement bi dafa corrompu bii yoon ci texte bu ñu yónni président de la république validé ko parlement di bind ko ci rapport ci bopam nenañu premier ministre Amadou Ba mom moy corrompre ay juge loolu lu doy war la bu fekkee ni amatuñu ñu leen dese ci ay pexé lu muy mal justice rewmi ak gouvernement rewmi mi dara desutul ci rewmi parce que bu boba li ñit nit mi doon wax te gis ko ci rapport Covid bi gis ko ci li fi xew gis ko ci alal ju bëri ju ñuy am ñom dañuy gën a ni effectivement guerre gi daf lu doy waar la ci Sénégal comme ñom ci sen bop reconnaître. est-ce que vous nga tey date ci pour euh, élection yi le 15 décembre. je ne crois pas je vais finir par lancer un message aux Sénégalais. Abba Mbaye taxawu Sénégal. Le président que vous avez en face, vous avez dit qu'il allait réduire son mandat de deux ans. Il ne l'a pas fait. Il a fait un référendum en vous disant qu'on ne peut plus toucher à la Constitution. Vous avez vu qu'aujourd'hui, il a touché à la Constitution. Sénégalais, Sénégalais, il n'y a plus rien à attendre de ce régime-là. Il n'y a plus rien à attendre de ce président-là. Quand ils nous ont donné le texte, ils nous ont dit que les élections allaient avoir lieu au mois d'août, le 25 août. Les gendarmes nous ont évacués de la salle pour pouvoir faire passer l'amendement. Maintenant, les élections ne sont plus pour le 25 août, ils sont pour le 15 décembre. Donc, on est parti pour un an indu au président Macky Nous lançons, on appelle un peuple. Le moment est venu de montrer que nous sommes un grand peuple. Le moment est venu de montrer que nous sommes des démocrates. Le moment est venu de montrer que notre souveraineté, elle nous appartient. Et ce moment-là ne peut pas être plus grand. Ce qui s'est passé aujourd'hui était la dernière digue de protection de notre démocratie. Pour la première fois, on se permet de décaler des élections présidentielles juste parce que le président est en mauvaise posture. Aujourd'hui, lorsqu'on a arrêté Karim Wad en 2012, on nous a dit que c'est la tête d'Abiyamal Aki, c'est une demande des Sénégalais. Quand on a attaqué Khalifa Sall, on nous a dit que c'est une affaire de caisse d'avance. Quand on a attaqué Ousmane Sonko, on nous a dit que c'était un viol. Ensuite, on nous a dit que c'est je ne sais pas quoi de mineur. Vous voyez, à chaque fois, il y a un mensonge pour masquer. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a que l'indignité, il n'y a que la honte. Et au bout, il y a le courage et la rétitude des Sénégalais. Nous demandons au peuple de se mobiliser, de se mettre debout et de faire face. Mais les Sénégalais, ne li fi président président Macky Sall daf leen néew dina wàññi mandaam ñaari at wàññiwu ko mu dem référendum ñu à partir de maintenant constitution bi lu jëm ci mandat bi kenn dootu ko laal tey gis ngeen ni laal lañ ko kon nag sénégalais yi régime bi amatu lu ñuy wax ba ñu gëm ko amul lu ñuy wax ba ñu nangu ko lenn rek a fi des mooy xeex taxaw fulla ak fayda pour sauver suñu démocratie ba ñuy song nag Karim Wade en 2012 dañ ñu waxoon tag dee biellement ak yi mais yéen ko bëgg ñu dem ba ci biir xam ne dañ ko doon xeex ñu song Khalifa Sall